ko trophée U20 baa nekk noonu waaw trophée bi waa nekk noonu euh, trophée U20 bi. Samba ñëwul Samba ñëwul Samba doo ñëw fii nga wax Samba ñëwul fi ñu jël la waay.

Euh, gëmoon nañ dañuy dem jusqu'au bout def nañ ko voilà le résultat jël nañ coupe d'Afrique bi dem nañ coupe du monde. waaw. ah. ah. non non même pas on peut dire que le coach moo def yëpp voilà il me demandait de projeter parce que am nañu militaire yom qualité Lamine Camara les deux voilà pourquoi pas may nekk foofu dem troisième mën a mën a avancer ñu may passe may dugal. <laughs> fierté contenté. En le sentiment d'être même buteur. Ouais, c'est une fierté. Je suis content. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais voilà, je suis content. Je ne veux pas dire plus que ça. De le prendre, C'est tout simple. Ouais. Merci. Ah, comme de dégâts non noonu euh, meilleur buteur U20 l'objectif est na objectif gagner coupe du monde je pense que c'est pas impossible hein parce que Sénégal qui a un fii ah il y a un an ou euh, plus Euh,